Il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir quatre mandats successifs. Quatre mandats successifs. Il n'a plus rien à prouver ici à Russie. Donc, ce si je di continuer mën naa faire taxaw fii de responsabilise les jeunes mais nous...

Bakar Sène tax ñu war a defar ay tali secondaire moom mu ngi koy def est que ñeneen ñaa ngi def état Sénégal tàmbali na fi liggéey muy la route nationale ñu jox ko benn entreprise ba mu koy tàmbali si période Covid la tombé woon période Covid boobu tax kenn liggéey pour un an deux ans la pratiquement travaux yi reprendre

Parce que nous avons besoin de responsabiliser nos cadres. Parce que nous, dans sud-ouest, nous sommes délaissés. Nous, je dis haut et fort, il faut que le président Macky Sall tous les cadres de ouest Le défi, c'est que nous avons toujours gagné. Il n'y a que la dernière élection que nous avons faite. Donc 2024, nous devons redorer le blason pour ce qui gagnent en beauté génn en beauté moi, donner une victoire au pouvoir les gens disent que Falat Amadouba, c'est la continuité avec Macky Sall Macky Sall n'est pas mauvais Macky Sall a travaillé pour ce pays on parle du BRT du terre, des ponts autoponts donc de l'augmentation des salaires des enseignants à de 100%. Ouais, nous ne dara doxul. Il faut qu'on arrête tromper les gens. Macky Sall a beaucoup fait. Mais tey dafa war a dem. bi muy dem aussi dafa ne woon man du ma tànn nit ndax xol du ma tànn nit ndax bëggeel damay xool li gën si Sénégal. Kan. kii mu tànn aussi am na expérience état Amadou Ba le Premier ministre a fait tous les escaliers de la fonction publique. Il a été directeur des impôts, directeur général des impôts, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre. Il ne ko pas Pas en tout cas de tous les 206 candidats y déclarés kenn année au passé. Puisque le combat politique finit au toll C'est la région de Dakar c'est la région de Thiès c'est la région de tourment. c'est la région de Ziguinchor mais pour les dix autres régions il n'y a pas de combat nous nag nous devons être de ce combat moo tax